À la une grève ce 19 février de l'Union des routiers du Sénégal, un mouvement d'humeur auquel vont prendre part des transporteurs du Mali. Ces routiers dénoncent les tracasseries et les contraventions irrégulières sur le corridor Dakar-Bamako. Les travailleurs de Dakar Bamako Ferroviaire, eux, exigent le départ du directeur général de l'Agence nationale des chemins de fer. Abdoulaye Lo est soupçonné de faire main basse sur le patrimoine foncier et immobilier de DBF. L'intersyndicale était en conférence de presse. Et puis le déminage humanitaire en Casamance, 1000 hectares sont concernés. Selon l'Agence nationale pour la relance des activités économiques en Casamance, un milliard de francs CFA, c'est la somme nécessaire pour réussir ce déminage. Une campagne est en cours pour convaincre toutes les parties à accepter cette opération. Tout d'abord, cet incendie qui s'est déclaré tout ce matin au restaurant central de l'université Charente Diop de Dakar. Les dégâts sont importants, mais la cause du sinistre reste inconnue pour le moment. Écoutons le témoignage de Seydoumbalo, étudiant à la faculté de droit avec El C'est aux environs de 5 h 1 minute que nous avons été réveillés par les cris d'un étudiant qui revenait de la faculté révisée. En fait, euh, de là, il criait feu, feu, mais également il demandait aux femmes de ménage qui venaient travailler de dévier, justement le restaurant central juste et au niveau du pavillon A, mais également elle se trouve derrière euh, la direction du coude. C'est ainsi qu'on a commencé à vider les pavillons. les étudiants du pavillon A également se vidaient avec leurs valises, leurs sacs. Et de là, les autorités, on a, cherché en tout cas à joindre les sapeurs-pompiers, nous à notre niveau, mais également les autorités euh, de la sécurité en tant que telles. Jusque-là, les sapeurs sont là, donc la situation est maîtrisée à 90%. Mais jusque-là, ils sont là, peut-être pour des raisons de sécurité, pour voir ce qui se passe réellement à l'intérieur, mais également avoir un droit de regard sur l'incendie en tant que tel. Pour l'instant, nous ignorons l'origine, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que les autorités étaient là. Qui parle du restaurant central, c'est en tout cas que c'est l'un des plus grands restaurants de l'université. Donc, du coup, ce que je pourrais estimer tout de suite comme dégâts, c'est qu'aujourd'hui, les étudiants ne sont pas en train euh, de se restaurer, en tout cas au niveau du restaurant central. Ils sont en train de rallier les autres restaurants. Donc, ça, c'est le premier dégât, le parce justement, encore une fois, en dehors de ce que nous connaissions auparavant. Donc aujourd'hui, nous aurons des multiplications au niveau des restaurants qui sont opérationnels ou fonctionnels. Le syndicat des routiers du Sénégal sera en crève ce mercredi 19 février à Moussala, dans la partie orientale du pays. Des camionneurs et autres transporteurs sénégalais et maliens exigent une tarification régulière des contraventions payées le long du corridor Dakar-Bamako. Écoutons à ce propos Ibou Diallo, il est le représentant du syndicat a des routiers du Sénégal et il est interrogé par Ibrahima Djebahate. Avec la traque là, donc on est, on est fatigué, euh, mais, mais total, mais, mais c'est ça, parce que l'argent là, ce que Gorohuma a dit, bon, s'il y a l'effraction d'un camion, d'un véhicule, normalement il a tort à côté de l'État. S'il y a l'effraction, le chauffeur devrait payer l'État. Mais c'est pas euh, un policier ou un gendarme qui vous demande combien que tu vas payer. Bon, nous voulons que les tarifs soient régularisés. S'il y a l'effraction, les chauffeurs et les transporteurs n'ont pas refusé de couper des reçus. Les reçus, l'argent part direct au, trésor et ça, c'est l'argent du contribuable de tous les Sénégalais. Donc c'est ça que Gouroukouma lit toujours et c'est ça que nous combattons. On, nous ne voulons pas remettre l'argent aux, agents qu'ils ont sur la route et de le mettre dans leur poche. Et c'est ça que nous refusons totalement. Et ce climat de suspicion dans le transport ferroviaire, les travailleurs de Dakar Bamako Ferroviaire accusent le directeur général de l'Agence nationale des chemins de fer de vouloir s'accorder accaparer des biens fonciers et immobiliers de la société. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils exigent le départ d'Abdoulaye Lo. L'intersyndicale a animé une conférence de presse en présence de l'administrateur de DBF, Amadou Sabarba. Ils ont sacrifié leurs jours de repos pour manifester leur colère. Des travailleurs de Dakar Bamako Ferroviaire dénoncent ce qu'ils considèrent comme une exploitation abusive du patrimoine foncier et immobilier de cette entreprise par le directeur général de l'Agence nationale des chemins de fer, Mambay Tunkara, secrétaire général et président de l'intersyndicale Dakar Bamako. Le ministre, lors de notre dernière rencontre, nous a dit que nous allons migrer vers la nouvelle société. Et que c'est le président de la République qui est habilité à nommer le fonctionnaire qui sera élu là-bas. On ne peut pas comprendre aujourd'hui que M. Abdoulaye Lo se permet de dire qu'il est nommé et c'est autonomé lui-même parce qu'il demande à ce qu'on lui remet l'entreprise. Les retraités du, chemin de fer réclamaient le paiement de leur indemnité de départ. Actuellement, le passif, nous hmm. avons ici avec les documents que l'administrateur nous a remis, est évalué à hauteur de 6 ou 7 milliards. Aujourd'hui, nous avons pris la ferme engage de mener le combat. Venu rassurer ses travailleurs, l'administrateur et directeur général de Dakar Bamako Ferroviaire promet d'être l'interlocuteur de ses agents auprès de l'État. qui Kibili Touré. Lorsqu'un pays vous a tout donné, lorsqu'un pays vous a donné au-delà de ce qu'il vous doit, à un moment donné, il faut être raisonnable et ne pas continuer à faire des jeux d'influence, ne pas continuer à gêner les politiques publiques. Un seul homme, fût-il l'élément d'un groupuscule, ne doit pas gêner cette politique publique qui découle de la volonté du président Macky Sall. Donc je vous rappelle, l'État que je sers, le gouvernement que je sers, n'a aucune divergence avec vous. Cité par l'intersyndicale, le directeur général de l'Agence nationale des chemins de fer ne souhaite pas, pour le moment, se prononcer sur ces accusations. Amadou Sabarba, Diamniadio, ville Carrefour, zone accidentogène pour certains. Les jeunes de la localité ont marché pour euh, réclamer des ralentisseurs et une brigade de sapeurs-pompiers. Leur colère est telle qu'ils menacent de perturber la cérémonie de pose de la première pierre du stade olympique de Diamniadio. Ce sera ce jeudi 20 février en présence du président Macky Sall. Abdou Diouf Diagne Jamnyajo. Jordan, Sarah, Sarah. Le 6 février passé, Mohamed Ndiaye, un jeune de 18 ans, a perdu la vie dans un accident de la route à Diamniadio. Sa mère Aminata Sall est venue manifester à côté des jeunes de cette localité réputée accidentogène. Pour réduire le nombre d'accidents dans cette route très fréquentée, les jeunes de Diamniadio exigent l'érection de ralentisseurs et d'une brigade de sapeurs-pompiers. Pape Moussa Ba est le président du conseil communal de la jeunesse. La est aujourd'hui complice de la situation peut pas mettre des dodans sur la route nationale. À il y a des dodans. À il y a des dodans. On n'entend plus parler d'accident à Sébicotan. Alors que Djamnyadjo est beaucoup plus peuplé que ces communes. Lorsqu'il y a un accident, les chapeaux pompiers quittent le fusque pour venir à Djamnyadjo et ils mettent plusieurs heures avant d'arriver. Et l'irréparable se produit à chaque fois. Nous demandons qu'un détachement d'une équipe de chapeaux pompiers soit mis à la disposition des populations de Djamnyadjo. Ces jeunes menacent de saboter la pose de la première pierre par le président de la République du stade olympique. Nous lui donnons rendez-vous le 20. Damnyadjo va se mobiliser avec des brassards rouges et des pancartes dans cette cérémonie. Si quelque chose n'est pas fait, il n'y aura pas de cérémonie là-bas. Nous allons tout faire pour que cette revendication soit réglée une bonne fois pour toutes, parce que nous en avons marre. Cette marche pacifique qui s'est terminée devant la mairie de Diamniadio a été encadrée par des éléments de la gendarmerie. RFM Demnado, Abdou Il est 7h07 minutes. Euh, Casamance, plus d'un million de mètres carrés en attente d'être déminés. L'ANRAC, l'Agence nationale pour la relance des activités économiques en Casamance, table sur un milliard de francs CFA pour mener à bien le déminage humanitaire. Le directeur général se félicite des efforts déjà consentis et ajoute qu'un plaidoyer est en cours pour convaincre toutes les parties à accepter le déminage. Le reportage de Lamine Ba à Oh, Le déminage humanitaire officiellement suspendu en Casamance n'a pas encore repris. N'empêche que sur le terrain, le travail d'identification des sites où il y a une présomption de présence des mines est presque bouclé. Le directeur général de l'ANDRAC en Soussané estime le besoin à 1,2 million 000 m carrés, nécessitant la mobilisation d'une enveloppe de plus d'un milliard. Aujourd'hui, avec les efforts de, l'État et des partenaires, nous avons pu donc dépolluer 1,5 million 000 mètres carrés. Donc les grands efforts restent à être consentis au niveau des régions de Ziguinchor et de une partie de la région de, de donc ce qui fait qu'aujourd'hui, il reste à peu près 1,2 million 200 mètres cubes de zones à, dépolluer. il y a 37 zones contours qui ont été fixées. Donc il y a 11 zones euh, qui devraient être, euh, qui devraient faire l'objet d'études techniques mieux poussées pour, euh, pour confirmer un peu les, hypothèses. On évalue à presque 1 milliard de dépolluer l'ensemble de ces zones-là. L'État en est conscient à travers le ministère des Affaires étrangères. Donc, et je pense que nous y travaillons avec le CNAMS. Une chose est d'identifier les zones suspectées d'abriter ces mines, une autre est de convaincre les belligérants à souscrire à à la dépollution. L'ANDRAC travaille justement dans ce sens, explique son directeur général. Aujourd'hui, donc, nous avons pu, euh, dans le cadre du plaidoyer, pour qu'en amont et en aval, que les acteurs puissent accompagner et accepter le déminage et permettre aux équipes techniques de procéder procédé pour libérer les zones concernées. Le directeur général de l'ANDRAC s'exprimait en marge de la cérémonie de réception de la maternité de Soukoupapay, infrastructure qu'il a entièrement réhabilitée sur fonds propres pour améliorer les conditions de prise en charge sanitaire des femmes. Lamine Ba, Radio Futur Média. Merci beaucoup Lamine Ba et c'est la fin de ce journal Babokara à 7h09 minutes.